Tout le monde, bienvenue sur tous à la Fada Shirunkuna Matassa de Studio Kalangu qui est Sarafamoukou chaque samedi et dimanche à partir de 17h sur les ondes de nos 45 radios partenaires. Mais magana rabia meikano. Inondation au Niger, au moins 50 morts et plus de 280 000 sinistrés. C'est la triste information relayée par plusieurs médias d'ici et d'ailleurs depuis le vendredi 28 août dernier. nan da 'yan kwanaki da suka huce ministan mu da ke kula da harkokin jin kai ya yi zancen gidaje wajen dubu ishirin da biyar ambaliyar wannan ruwan ta taba kuma da mutum wajen hamsin da suka rasa rayukansu a faɗin ƙasar tamu jihohin da suka hi taɓuwa su ne maradi sud tawa tilaberi doso e nyame west kuma a birnin yamaikin ma unguwannin da suke kusa kusan da isa su ne suka hita musamman masu kirkusai da su banga bana face à cette invasion des eaux les jeunes ne sont pas restés en retrait pour gérer la situation eux aussi touchés par ces inondations plusieurs d'entre eux se sont organisés don su taimaka ma yan unguwannin nasu da yan uwansu don wannan ambaliyar ruwa ka ta ƙara yin ɓanna kuma hallo mun gayyato su ko mu ce su suka gayyace mu a nan ga bakin mu ce an huce agreement kaɗan in ka zo ka tsinkaye su ti va penser qu'ils sont là pour compter les véhicules hachés. H, c'est les super-héros qui sont assis ici. Oh. Comme d'habitude, nous aurons de la musique, la rubrique anti-Covid qui sera l'affaire de Ronnie et la chronique d'Olivier Olivier, ça va Ouais, Rabi, ça va très bien. <laughs> De quoi on est venu aujourd'hui Bah écoute, aujourd'hui nous allons parler de la Déclaration internationale des droits humains. Fait de cela 71 ans que cette convention a été signée à Genève. On va faire le point dans la chronique de ce soir. Merci Olivier, à tout de suite. c'est parti. a wannan fadar ta muna tare da Idi Ango Abdul Wahab il est juriste de formation jeune leader de Harubanda ça va monsieur Idi oui ça va kuna lahiya alhamdulillah ya gogormaya to wallahi mun gode Allah ake cewa to Allah ƙara bada hakuri amin amin wallahi amin muna tare da Abdul Gado Muhammadu de l'Observatoire des jeunes pour la paix il est aussi un jeune de Harubanda ça va Abdou Euh, bonsoir Rabia. Yane. Ça va très bien. Anana, ana, ana, ta géré hakana. bonjour gère. De Ibn Issa Abdul Majid. Lui, il est de l'association des jeunes pour l'éducation et le bien-être. Ajeb. Il est le secrétaire général du RJST, structure des jeunes pour la solidarité et le développement. Autour de moi, j'ai plein de jeunes qui assurent la permanence, c'est carrément l'équipe du des super-héros de la commune 5 qui sont là avec nous a talabijin radio abu bisa yanar gizo-gizo ko ina zancen ne ake hotunan da ke yawo mutane ruwa a kirji suna kokowa su ɗauke abin da suke iya ɗaukewa cikin kayansu. Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires OCHA a également présenté un bilan des inondations enregistrées au Niger à la date du 30 août 2020. Mouchalare Soumoudjaïen OCHA. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, se basant sur les chiffres du mois d'août 2020 du ministère nigérien de l'action humanitaire, a annoncé que plus de 280 000 personnes, dont près de cinq cents ménages, ont été affectées par les inondations consécutives occasionnées par les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis juillet dernier. Selon OCHA, les régions les plus touchées sont respectivement Maradi, avec près de 105 000 sinistrés, Tawa a recensé près de 42 000 sinistrés, suivi de Dosso avec plus de 40 000 sinistrés enregistrés. Les autorités de l'action humanitaire ont aussi fait état d'environ 26 000 maisons effondrées, près de 5 000 hectares de cultures ensevelies et 4 000 têtes de bétail emportées. Voilà, Ocha, Abunko Inani, Maradi est la région la plus touchée par ces inondations. Comme Harobanda, Pratiquer chaque année à la même période de l'écoulement du Kori Teloua, cette activité rapporte des revenus à ces jeunes, confirme Mohamed Ibrahim, responsable du groupe. On les fait traverser au moment de la montée d'eau du Kori. Pour la moto, on prend 750 à 1000 francs. La voiture, nous prenons 15 000 francs, 10 000 francs et parfois 2 000 francs pour la solidarité. Avec ce que nous gagnons, nous aidons nos familles. Et ceux qui n'ont pas de famille payent des pantalons, des chemises ou des chaussures. Plusieurs conducteurs usagers interrogés trouvent salutaire cette pratique des jeunes au niveau du Kori. J'ai un véhicule de transport de fruits. Je leur ai donné 15 000 francs pour me faire traverser. Si c'est pas à cause de ce jeûne là qui aide à traverser, les choses ne seront pas possibles. Cette activité exercée par les jeunes d'Agadez a encore de belles années devant elle jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée comment ils, comment ils font pour aider les gens à traverser le Kori Ici, à votre niveau, comment ça s'est passé chez vous, dans votre quartier euh, c'est Hamamor Hama, merci d'être surtout à la Donc, euh, en Hora, vers 6h, 5h30, à fin de la prière, hmm. donc euh, les gens ont constaté que l'eau est en train de commencer à rentrer. Donc euh, les gens sont en train d'intervenir petit à petit, petit à petit. On met des sacs, euh, on met des, des, dalas ou bien comment dirais-je, des oh. bundouins, Igo ça, ça refuse. on, oh, a on a informé au niveau de la mairie et donc... Euh, Suite à ça, ils n'ont pas intervenu. On a... C'est le, le dimanche. Le dimanche passé. Hein? Le dimanche passé. Ok. To, wake ban misalin kamar bannar da wannan ambaliyar ruwan ta yi ga Abu Ali Lamin, le SD de RJST. To, kamar yanda kun ka tambayi wannan tambaya, mm. eh, kun san duk wanda ya shigo wannan namu, shige shi ta harin da ya diba ya san da cewa an samu banna da yawa. Mm. Banna da aka samu an samu banna iri-iri ta mutane ma an samu. kamar rasuwa ba haka kuma an samu eh, banna kama gonaki haka na mm. kamar rijiyar wannan na shinkawa kun san paske mm. kusan isa muke kuma duk mutane yawancinsu suna da wurarensu da suke abubuwan harkar shinkawa wannan mm. amma yanzu in kun dan zagaya kaɗan ba ku ganin komi sai ruwa wannan banna ita ma babban banna ce tunda abubuwan sun hito ana ganin kamar yau ko gobe za a tacewa kuma sai Allah ya sa kuma wanga ruwan suka zo kuma suka mai da komi banza bayan haka kuma akwai banna da yawa ta gidaje mm. gidaje sun rushe bayan rushen gidajen wannan kuma kun ga mutane ba su iya zama cikin gidajen wannan suka rushe sun tashi da gidajen nasu kuma ba su da inda ma za su koma wasu su koma cikin lokololi suna zama wasu kuma har yanzu dai suna neman inda za su koma su dan tsugunna kaɗan kin san ko mm. kenan duk inda kin ga mutum dan uwanka baya da wurin zama kan sa an yi babban banna ba ba kadan ba karamar banna ba akai yi ba saboda shikenan ba na iya cewa mu bana da muka samu ma banan nan ba a taba samun irin ta ba sai dai Allah ya taimaka gaskiya Allah ya taimaka to yanzu a cikin ku ina iya samun wani wanda yake da wata activité kin shi ko en tout cas quelque chose que tu fais qui s'est arrêté à cause de ces inondations là qui est mayo ni mayo ah, ay mayo oh isufa amadu kallam isufa amadu wallahi sulman kaina ay mine ay ay demo oh. eh go kai gote haro ma ga ni gayi c'est parce que daka dana yinwa aiwo yirfo ye bandan la sabu na don ku dole ai mu kai ga goro ai mai gowi kaga haiwa te kwa bore yan gono gono igogi la sabu igo igogi bore banano man tiya dum mono c'est parce que irwo ir dori nirgama bor bobo man ti bor fallan mécanicien rari ayo goy réparateur rari ayo menuisier no mm. to kun shi dai shi dai wannan isufu da yake nan gamar zance ce shi aikin katako yake munize ne yace kuma anan wa'anda suke nan zamne bakin wannan santal suna nan suna diba wannan ruwan kasu zo su kara musu wata sabuwar ambaliya hallo akwai da yawa wanda suka bar ayyukan su dan su zo su zamana su kula da wanga wurin tunda in dai ruwa ya zo ya cinye musu harkokin aikin nasu zancen bannar shekara biyu ake yi ba ta shekara ɗaya ba. On va revenir à vous, mais avant cela, on va aller écouter du côté de Dondi. Nigérien, rubrique Nigériens mes chers compatriotes une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19 l'artiste s'exprime Le coronavirus est encore là. La pandémie, mesdames et messieurs, n'est pas finie car le virus circule toujours. Nous, surtout ça, la à travers la rubrique Artistes s'expriment contre la Covid-19, on reçoit à chaque fois un artiste impliqué dans cette lutte contre la Covid-19 à travers une interview. Cette semaine, nous recevons un taureau d'islam, ladies and gentlemen. Autour du ça vous dit certainement beaucoup de choses. Autour du j'ai appris à tâtonner. Autorité, j'ai appris à papoter. Champion de tous les débats, dernier de toutes les actions. Actualité, je suis le best. Politique, je suis au top. Réalité, je tire la queue. Autorité, j'ai vu la pandémie du Covid-19 arriver. Et autour du thé, j'ai constaté qu'il a un message à me véhiculer. Autour du thé, ladies and gentlemen, nous allons parler de la Covid-19. Autour du thé, vous êtes connectés certainement un peu partout puisque c'est les grandes vacances. Autour du thé, faites surtout gaffe, le virus continue toujours à circuler. Si vous ne faites pas très attention, ça serait l'apocalypse. Oh yes. Tout est question de temps. La science est menacée, la médecine est effrayée et l'humanité tout entière est en train de se chercher contre cette maladie qui guette nos maisons qui guettent nos soirées et surtout nos sociétés. Faites très attention. Alors, la Swasna, c'est le nom de l'artiste. Ah, comment tu vas Ouais, je vais bien, je vais bien, eh, super. Dis-moi, eh, tu pètes la forme, j'espère bien. Super. On est autour du thé, tu as pris déjà le premier et ça le fait parce que nous sommes tous à la Fada. Et quand on parle de Fada aussi, on, sait que c'est le thé au maximum. Et puis Alors, ça va, ah, ah, euh, euh, euh tout se passe bien, le virus continue toujours à circuler. On sait que cette pandémie a secoué d'une manière ou d'une autre le monde. Alors, le monde artistique, comment est-ce que vous avez senti cela euh, nous l'avons senti tout comme le monde entier, tout comme dans tous les domaines. Tout est à terre, mais artistes que nous sommes, engagés que nous sommes, on ne va jamais baisser les bras. Nous allons les combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors nous allons combattre bien évidemment la Covid-19, nous allons combattre le coronavirus sous l'émission Tout ça la Fada, sur cette rubrique bien évidemment intitulée Artistes euh, s'exprimant Covid-19. Alors là, on sait que l'artiste est extraordinaire, on sait que vous êtes kiffé, et bien évidemment à travers le monde, on sait que tout ce que vous dites, ok d'accord, la jeunesse quand même tient compte. Et cette jeunesse aujourd'hui, euh, des fois se dit que le virus n'existe pas et on sait aussi qu'on a baissé d'une manière ou d'une autre la garde et on continue aussi à enregistrer des cas. Alors quel serait aujourd'hui euh, ton message à l'endroit de cette jeunesse qui kiffe, bien évidemment, euh, cette émission pour leur dire de faire très très attention. Mais le virus est toujours là, le virus continue toujours à circuler. Mr. Las, Was, Nas. Alors, le truc, il est très simple. C'est que déjà, nous sommes avertis et un homme averti, averti en, vos, en vos mille, si vous voulez. Mhm. Alors, nous allons continuer de respecter les mesures barrières. Mhm. C'est des choses très simples, la distanciation sociale. Mhm. Pas besoin de se serrer la main. Et eh, yo frérot, faut faire ses nodis. Donc il continue de casson. Oh mais il continue à casson. Super. bonza. OK. Donc euh, je pense que la lutte elle est elle est unanime. Pas besoin de voir quelqu'un qui a la maladie parce qu'il suffit de voir pour être contaminé aussi. Bien sûr. Autant utiliser régulièrement nos bavettes, c'est-à-dire les masques. Mhm. Mhm. Nous sommes donc, Miss euh, euh, pratiquement à la fin de cette rubrique euh, consacrée à la jeunesse nigérienne. Alors, en slamant la Nas, je voudrais que tu t'adresses à toute cette jeunesse qui kiffe cette rubrique un peu partout au Niger, en slamant bien évidemment le mot de fond. En ce qui concerne ce numéro, c'est de ça que j'ai besoin. Mist, Las, Was. Alors, le plaisir est mien. Et jeunesse. Et oui, cette fleur de l'âge qui déborde d'ambition. À nous la parole, à nous le combat. C'est maintenant ou jamais, on doit s'engager mourir ou périr, <laughs> on va tous y aller. L'essentiel, c'est qu'on combatte et qu'on s'en sort la tête haute. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci de continuer de soutenir et merci de rester chez vous. Et aussi respecter les mesures barrières. Merci. Merci aussi, ok d'accord, à toute cette jeunesse qui réalise cette émission de l'autre côté. On dira aussi au euh, big up, bien évidemment, à mon ami euh, Mustapha Yubak euh, qui réalise cette émission. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, de rester en compagnie du programme du studio Kalangu à travers nos 45 radios partenaires. La jeunesse, c'était Mr. Las Was Nas, c'était Don Di Lama Shin. Hey. Retour à la fada. Muna nan muna hira tare da matasan Commune 5, matasan Harobanda. Bisa kan wannan ambaliyar ruwan da take nan ga taba su Face nan dai an zuba su kuma sun zo sun suna nan face à ces inondations comment ils gèrent ça et comment ils vivent cette situation à cette fois-là, nous sommes avec Idi Ango Abdul Wahab, juriste de formation et jeune leader de Harobanda. Nous sommes avec Abdou Mahamadou de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix également un jeune de Harobanda, Ibn Issa Abdulmajid de l'AGEB, Association des jeunes pour l'éducation et le bien-être, Abou Ali Lamine, SG de l'RJST, Structure des jeunes pour la solidarité et le développement. kusan 80-06-88-54 lamba da kuke aika mana tambayoyin ku a bisa kanta ne wani aminin mu na fada daga tawa yana tambaya ku ku matasan harobanda comment vous êtes organisé pour faire face à cette situation yana so ya san yaya ne kuka yi abdu gado muhammad euh, merci Rabia, bonsoir une fois de plus. L'eau a traversé ici, et euh, à Grimette. elle voulait rentrer à Karadjé. Mm, heureusement, les, populations de Karadjé étaient vraiment euh, au veille. Ils ont pris des dispositions pour, en tout cas, mettre le, le bâtardeau que vous voyez en place. mais justement, a eh, merci pour merci pour la question c'est c'est vraiment l'œuvre d'une personne d'une personne privée euh, un jeune euh, autochtone de de, qui a voulu on mettre lui alors on pour lui c'est un jeune qui a voulu mettre euh, en tout cas ses moyens financiers et physiques à la disposition de toute la population de Karadje Zarmagandé et jusqu'à la mort de... En fait, pour toute la commune 5, je dirais. Maintenant, il y a les jeunes aussi qui n'ont pas euh, de moyens financiers, qui ont accompagné avec leurs moyens physiques. Et ils ont participé, ces hein. jeunes-là qui sont là, qui veillent euh, toujours sur ces bâtards Parce que je vous apprends, même avant-hier, il y a eu euh, des fortes pluies qui ont fait céder ces bâtards là ah Heureusement, heureusement, ces jeunes étaient là pour veiller sur ces d'eau, Ils ont pu, en tout cas, réhabiliter et euh, augmenter des voyages de la, de la latérite pour euh, pouvoir contrecarrer, barricader l'eau. Donc, vous êtes là jour et nuit Jour et nuit. Euh, en tout cas, ils font, un travail, un travail exceptionnel. Et toute la population, en tout cas, je dirais de la commune 5, leur reconnaît ça. Donc, je pense que c'est le lieu aussi de s'allier vraiment ce qu'ils font. On, s'applaudit alors. Applaudissez. Voilà, applaudissez pour vous-même. <laughs> Ida Ango Abdulwahab, juriste de formation et jeune leader de Harubanda. Akwai quoi ƙarin bayani zaka ba mu bisa kan wannan organisation kin? yanzu yana aka matasa sun bar aikinsu sun zo sun zamana dare da rana suna bibiya kan wannan ruwan ya zo ya haɗe ya unguwa. donc euh, je veux euh, rejoindre la parole de mon jeune frère euh, merci au studio Kalangu pour euh, cette initiative louable qui donne euh, l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer et surtout de montrer ce que les jeunes sont en train d'apporter en termes d'apport pour le développement donc, de, leur, de leur commune. Et comme il l'a si bien dit, vous savez, le problème d'inondation, c'est un problème qu'on constate récurremment, à Niamey surtout le fleuve Niger est véritablement ensablé. Et c'est un problème euh, qui n'est pas méconnu par les autorités. Il y a plusieurs problèmes qui ont, qui ont contribué à empirer la situation. Et moi, euh, je suis à Kirkusse, mais je vous jure que euh, si, vous, si vous voyez la scène, c'est désolant. Tantôt, il y a un jeune qui, parlait qu'il il était menuisier, mais il a, il a dû fermer. Mais je vous assure que des, des familles entières des, commerces, des commerces se sont vus euh, euh, engloutis par l'eau. Très heureusement pour nous, les, infrastructures que l'État du Niger a construites en collaboration avec les partenaires, la digue de l'amour n'a pas cédé. La digue de l'amour n'a pas cédé. Si cette digue allait céder, et je vous assure que euh, aujourd'hui nous n'allons pas être là ici à Harobanda pour tenir cette émission là. Donc les autorités quand même bon, quand bien même que au tout début de ce phénomène là, eh, il faut dire la vérité, vraiment, et je n'aime pas l'hypocrisie. La communauté urbaine, la ville de Niamey, quand même, n'a pas, n'a pas répondu à temps. Il a fallu qu'une bonne volonté, telle que le monsieur qu'on a cité là, pour venir en aide. À la, à la, population. Population de la commune 5. De la commune 5. D'accord. Yanzu, ta mu ci gaba ko an ce kai mu yi tambayar mu ta karshe, zan mu je mu en musique parce que la fada c'est aussi la musique. Mu sharar Fatima Riko duk da abin da ke haruwa rai ta ce Isa ta mu arziki ne. mu shirare ta mu dawo bayanta. aujourd'hui à la fada il est question de la gestion des dernières inondations par les jeunes à Niamey, notamment ceux de Harobanda, euh, en face du goudron, en face de cette euh, digue de fortune, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, parce que c'est que du sable. Euh, ils surveillent pour pas que ça cède. Matin, midi, soir, tard la nuit, ils sont là, ces jeunes. Avec Idi Ango Abdouahab, juriste de formation et jeune, de, jeune leader de Harobanda, Abdougado Mahamadou de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix, Ibounissa Abdoulmajid de l'AGEB, une association des jeunes pour l'éducation et le bien-être, Lamine, euh, SG de l'RJST, structure des jeunes pour la solidarité et le développement yanzu mu shi akwai wani taimako da ake nan ga ka muku nan dai inondation eh, abun na in eh, c'est monsieur qui nous aide donc euh, il a fait il a fourni tous ses efforts euh, par rapport à ça et inshallah les gens sont là on ne manque on a on a besoin de rien inshallah c'est lui qui a pris toutes ses responsabilités pour nous aider inshallah à tout euh, besoin to kenan wani matashin haroban da ya dauki yaunin komi da eh? eh unguwa haroban da taimakon da take nan ga samu bayan nashi eh, jiya an yi receptionan don da an kaba da wani de la commune okay. Eh, ni kira guda gare ni kiran da gare ni ina neman duk kowa da kowa dan kasar niger wayan da an niger da wayan da a kasashen waje don allah don annabi su ka musu a ala mairie de haro banda in dala gare ka yan mi gare ka ka meri haro banda sai a raba ma talaka que talaka haro banda wallahi suna ga wahala eh, suna ga wahala ni personel eh, vraiment ina ganin wahala da suke yi sai que in baka da abin da za ka yi dai sai hakuri kuwa kenan duk wani mai gudunmuwa mai karamin hali dai ya kama meri haro banda gudunmuwa don a ba talakawa to structure des jeunes pour l'éducation et le bien-être ya za ka ce muna euh, comme euh, assistance, je crois que euh, là, il faut remercier d'abord la jeunesse de Harobanda, parce que tout ce que vous venez de constater là, c'est parce que tout simplement, ils sont organisés. Ça relève de l'organisation. Ah, Donc, vraiment, c'est un acte à saluer à ce niveau-là. Donc par rapport aux jeunes qui sont un peu partout, là il faut évoquer, il y a déjà des, manifestations à tous les niveaux. Il y a des gens qui se sont organisés pour faire des cotisations et apporter à leur niveau. C'est l'exemple de jeunes volontaires euh, du Niger. C'est l'exemple même de l'IENUN, des étudiants de l'université Abdou qui ont vraiment mobilisé les gens à pouvoir apporter leur assistance On à leur applaudit alors On leur applaudit Donc euh, tout ça là, c'est l'œuvre de la jeunesse et vraiment c'est des actes à saluer. Maintenant, par rapport à l'État, c'est vrai, il faut apporter des solutions tout de suite et maintenant parce que ça nécessite. Mais il faut apporter des solutions durables. Parce que quand vous constatez, à chaque fois, ces problèmes-là se répètent. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de solution durable. Donc, il est temps à ce que les autorités fassent vraiment des, choses concrètes qui vont faire en sorte que les gens ne, vont plus vraiment vivre ce genre de situation. Oli, Bonsoir à tous, population de Harubanda et de tous les quartiers de Niamey, toutes les villes de Niamey qui ont été inondées par, par l'eau. Bah, toutes nos pensées vers eux, force, détermination. J'espère qu'avec euh, beaucoup plus d'énergie, on arrivera à bout. Parce que quoi qu'on dise, euh, l'eau, on en a besoin. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. L'eau, c'est la vie. <laughs> Le droit international a fêté ses 71 ans le 12 août 2020. Et moi, j'étais à la rencontre au siège de la Commission nationale des droits humains. Et cette rencontre avait pour thème Droit international humanitaire, défi à l'ère des guerres contemporaines. Le DIH, comme le diraient les habitués du droit, se trouve essentiellement dans les quatre conventions de Genève de la quasi-totalité des États dont le Niger est aujourd'hui lié par celle-ci. En bref, pour vous expliquer, le droit international humanitaire, selon la définition de la Croix-Rouge, est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. À cet effet, il s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les autres situations de tension interne comme les actes de violence isolés. Alors, Rabbi, une question se pose. 71 ans après, quelle est la situation en Afrique et au Niger en particulier Eh bien, c'est la question que je me pose et que j'ai aussi eu l'occasion de poser aux participants. Plusieurs rapports disponibles sur le site internet du Comité international de la Croix-Rouge et sur d'autres sites internet nous donne des réponses sur euh, cette question. Quant au Niger, des efforts sont faits pour le respect du droit international. C'est en tout cas le constat de Romaric Ferraro. Il est conseiller juridique au CICR du Niger, à branche nigérienne on l'écoute. Il y a de très nombreux points communs entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme qui, en fait, sont complémentaires. Je voudrais une nouvelle fois encourager tous les efforts qu'est en train d'entreprendre la Commission nationale des droits humains, non pas seulement pour une application fidèle des droits humains, mais aussi du droit international humanitaire, pour lequel elle a naturellement aussi membre. Le Niger a été le premier État d'Afrique et par conséquent presque du monde à se doter d'une loi spécifique de protection et d'assistance aux personnes déplacées internes. À ce titre, je note que la Commission nationale des droits humains a reçu à travers l'article 15 de cette loi un mandat spécifique pour veiller à l'application des droits de l'homme prévus dans cette loi. Je me félicite aussi de l'adoption récente de la définition de la torture dans le droit pénal du Niger, comblant ainsi une lacune qui existait depuis quelques années. Avoir des tests de loi, c'est une bonne chose, mais les respecter est encore mieux. Il est des cas importants où le droit international humain a permis de changer les choses, soit en protégeant les civils, soit en protégeant les prisonniers de guerre. Mais malheureusement, en 2020, on assiste à des violations du droit international humanitaire. Dans les actes de violence dans plusieurs pays du monde, de plus en plus, les violences ou bien les victimes, et bien évidemment, sont des civils, des camps de réfugiés qui sont attaqués de par le monde. On peut conclure que le droit humanitaire international est mis à rude épreuve et que chacun d'entre nous fasse de son mieux. En gros, la conclusion, beaucoup reste à faire. Merci. Merci bien, M. Olim. Merci aux jeunes euh, qui nous ont invités ou qu'on a invités, parce qu'on est dans leur quartier. Les super-héros de Harobanda, face au grands, face à la digue de fortune, qui essaie de faire comme ils peuvent avec les moyens de bord pour lutter contre l'invasion de l'eau. Mungode, Allah et à toutes ces familles qui sont dans on leur envoie nos pensées les plus positives un big up

ta Hausa za ku ci gaba da hira da abokin aiki na don shi kuma za a yi zance bisa kan yaya ne wannan matakai ne matasan wannan suka ɗauka don a samu dai wannan ambaliyar ruwa ka ta ƙara cin wa'annan unguwan da taimakon da suke nan ga samu tare da shi za a wannan hira kada kuma ce lamar kuke iya aika mana tambayoyin a bisa kanta hudu sai mun ƙara haɗuwa tus alafara big up ocean harabanda.